le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Indépendance et souveraineté d'un pays, signification, particularité et remarques. Le Niger vient de souffler la 59e bougie de son accession à l'indépendance. En ce mois d'août, tout comme le Niger, plusieurs autres anciennes colonies françaises d'Afrique célèbrent cette indépendance qui va avec la souveraineté. La souveraineté, selon la définition de Wikipédia, est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. Que signifie être indépendant et souverain pour un pays comme le Niger Quelles sont les particularités qui montrent ou qui démontrent cette indépendance, cette souveraineté Que remarque-t-on aujourd'hui qui exprime ou non cette indépendance, cette souveraineté C'est à ces trois principales questions que nous nous exerçons aujourd'hui dans ce forum. À cet effet, des acteurs de la société civile nigérienne ont accepté de venir partager leur façon de voir, leurs constats qui peuvent ou pas euh, contenter le public. Nous avons euh, donc euh, le plaisir de recevoir Michael Zodi, coordonnateur national de la campagne Tournons la page. Michael Zodi, bonsoir. Bonsoir et Maman Ouada, secrétaire général de la section nigérienne de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption. Maman Ouada, bonsoir. Nous avons également invité Lawala Salaw Sayabou, coordonnateur du réseau des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie Rodad, qui n'a pas pu être avec nous dans ce studio. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Michael Zoudi, 59 ans après son indépendance, peut-on dire aujourd'hui que le Niger est un pays souverain, qu'il ne reçoit pas d'injection extérieure Merci Mouktar, merci au Sido Klangou qui est en train de faire beaucoup pour le peuple nigérien. Je suis reconnaissant et je me rappelle une fois, j'étais invité à ce forum. Au sortir du forum, effectivement, au village, on m'a appelé pour me dire que vous êtes là dans la commune. J'ai dit non, je suis à Niamey. On dit qu'on vient de me suivre sur une radio de Filingué. Je me réjouis de constater que vous arrivez à toucher le peuple. Bon courage. Parlons-en. L'indépendance du Niger, la souveraineté du Niger de 1960 à aujourd'hui. Et je pense bien que ça a commencé depuis 58 quand le Niger était devenu une république. Le Niger était devenu une république euh, en 58, en 1960, on a eu notre indépendance donc nous deviendrons un État souverain. Ça, c'est de façon théorique. Donc, nous disposons d'un drapeau, il y a l'hymne national, l'armoirie, et aussi nous avons le sceau et un certain nombre d'attributs qui ont été donnés au Niger. Donc, euh, et nous sommes indépendants, donc nous pouvons exercer le pouvoir sur notre territoire. Il faudrait mettre en place effectivement des autorités, les autorités euh, de façon démocratique. Donc faire en sorte que les gens soient élus, que le peuple puisse choisir ceux qui vont le diriger. Parce qu'à l'époque, c'était effectivement le colon qui était là, des gouverneurs français qui étaient là, qui géraient. Maintenant, on a dit non, vous êtes indépendant, vous pouvez aller gérer votre pays comme bon le semble. En quelque sorte, la souveraineté, c'est-à-dire que l'État exerce son plein pouvoir sans injonction extérieure au Niger, effectivement, c'était comme ça l'idée. Très malheureusement, effectivement, cette souveraineté englobe trois points. D'abord, la souveraineté politique. La souveraineté politique, c'est quoi C'est donner la le libre choix au peuple de désigner ses dirigeants à travers la Constitution et le Code électoral qui se sont donnés. Donc, euh, la Constitution aussi fait partie des attributs de la République. Donc, nous avons une Constitution et nous avons des lois qui réglementent effectivement notre, notre pays. Donc, on donne le choix au peuple de désigner ses représentants. Donc, la souveraineté, c'est pour ça qu'on dit que la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple l'exprime à travers ses élus, soit les députés, les conseillers et aussi le président de la République. C'est de cette façon-là, effectivement, que la souveraineté est exercée par le peuple. Je peux parler aussi de ce qu'on appelle la souveraineté économique, qui est un sérieux problème chez nous. Aujourd'hui, on dit économiquement, nous sommes souverains, et il y a cette question de monnaie, où nous n'avons pas d'emprise sur le franc CFA. Il y a cette question, effectivement, d'être budgétaire, parce que quand on dit qu'on est souverain, il y a certaines dépenses de souveraineté qu'on n'a pas besoin de soutien de quelqu'un pour pouvoir les faire. En dehors de, la souveraineté économique, effectivement, dans cette souveraineté économique, il ne faudrait pas oublier que jusqu'à présent, on a dit que nous sommes souverains, mais il y a toujours les contrats loinés qui courent. Les contrats loinés, ça veut dire que ce sont des contrats qui ont été signés entre l'État du Niger et le colonisateur et la France. C'est-à-dire la France a le plein droit effectivement d'exploiter nos ressources. D'abord, c'est la France qui est la première puissance qui doit. Est-ce que ces contrats-là sont publics Oui, même aujourd'hui, le contrat avec Areva, avec c'est toujours le contrat l'ONU. Je me rappelle en 2006, quand nous avons réfléchi, nous avons dit que nous avons tracé notre code minier pour oublier les contrats, le contrat lyonnais. Mais effectivement, à l'arrivée au pouvoir du président Issoufou, effectivement, ce, ce, code minier a été mis à l'écart. Les gens n'ont pas voulu exploiter ce code minier qui engage beaucoup de bénéfices au Niger. Aujourd'hui, on dit près de 60 ans qu'on est en train d'exploiter notre uranium et rien, même pas une, route, une bonne Donc, ça fait partie des attributs de la souveraineté nationale. Oui, effectivement, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que nous avons une emprise sur nos ressources. Mais aujourd'hui, nous n'en avons pas parce qu'aujourd'hui, le code minier peut être euh, modifié à n'importe quel moment pour récompenser effectivement Areva qui, des fois, s'immixe effectivement dans l'arrivée au pouvoir des, dirigeants. Euh, mais, mais aujourd'hui, on parle aussi de souveraineté alimentaire. Je n'ai pas fini, j'arrive j'ai dit, même le budget, aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains parce que 50%, euh, c'est de l'aide budgétaire qu'on nous amène et ces partenaires-là nous dictent un comportement. Alors que on dit que nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Si vous voulez nous aider, donnez-nous l'argent, nous allons construire notre pays. C'est notre pays, ça nous appartient. Donc, même ça, c'est un problème. En dehors de ça, la souveraineté alimentaire, je me rappelle, j'ai une pensée particulière, effectivement, à Kounche, le président Kounche, effectivement, qui s'est battu pour qu'on ait cette souveraineté alimentaire. Il a cherché, effectivement, de l'aide pour les populations. Mais aujourd'hui, je pense bien que quand nous avons une emprise sur nos ressources, nous avons la capacité d'être autonome, d'être indépendant vis-à-vis de l'extérieur, d'être euh, souverains. souverain du point de vue alimentaire. C'est vrai, euh, les cultures de contre-saison, les troisièmes dont les gens sont en train de chanter, effectivement, il n'y a pas de véritable investissement pour créer les conditions pour que les populations puissent produire assez de, euh, assez euh, nourriture. En dehors de ça, on vient, il y a ce qu'on appelle la souveraineté sécuritaire. Un État, quand ça se crée, il y a des institutions et dans ces institutions, il y a l'institution qui est chargée de la sécurité, l'armée, notre armée, qui nous appartient. Aujourd'hui, vous, vous pensez que pour une question de... Les Français vont accepter qu'aujourd'hui le Niger envoie des troupes pour aller se baser en France et puis s'occuper de la sécurité Non, la sécurité ne doit pas être sous-traitée. Et aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a une floraison des bases militaires. Est-ce qu'on peut parler... C'est pour appuyer nos forces de défense et de sécurité en termes euh, de moyens logistiques, en termes de renseignements, disent de façon officielle Je suis désolé de vous le dire. Aujourd'hui, ces bases militaires-là, notre armée n'a pas le droit d'y aller visiter ces bases militaires. C'est sur notre territoire, mais étranger à nous. Notre armée, en dehors de ça. Vous avez des preuves Oui, combien de fois Combien de fois c'était dit même, euh, même le ministre de la Défense euh, nationale, quand est-ce qu'il a eu accès Quand la société civile a commencé à faire du bruit, c'est en ce moment que les Français ont dit nous acceptons de les, faire voir. J'ai suivi sur, euh, RFI le commandement de, la force Barkhane quand il y a eu l'attaque de Tongo Tongo, ils étaient sortis pour dire qu'ils ont déjà constaté un mouvement suspect sur le territoire nigérien qu'il y a le même mode opératoire. Mais les gens n'ont pas pris ces dispositions. Et ils ont dit que non, ils n'ont pas intervenu pour empêcher tout ça là, parce que l'État du Niger n'a pas demandé l'aide. Alors que vous êtes sur notre territoire. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un jeu malsain derrière cette question d'insécurité. En dehors de ça, M. Mouktar, je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Nigériens demandent Un Nigérien, il demande juste de lui créer les conditions pour exercer sa fonction, c'est-à-dire les conditions sécuritaires. Il exerce sa fonction. Un Nigérien demande à ce qu'on lui crée les conditions sanitaires pour que quand son enfant est malade, il puisse l'amener voir un médecin. Un Nigérien demande. Mais, tout cela existe, mais aujourd'hui. Euh, je suis désolé, quand vous faites un tour, <laughs> vous allez constater que ça, là, on ne peut pas discuter. On ne peut même pas discuter. il y a des infrastructures, il y a des fonctionnaires même, de l'État qui exercent dans ces officines. S'il vous plaît, ce sont des ONG internationales qui sont là en train d'aider. Il faut faire un tour à Maradi. Vous allez constater que les malnutries sont traitées par MSF. Il y a plusieurs ONG. Tout ça, là, est sous-traité comme si l'État n'est pas là. Et vous, récemment, vous avez vu le permis de, le permis de conduire son iloga et tout ce qui ensuite. Tout cela ne, ne, fait pas partie des, attributs de la souveraineté. L'État exerce à travers ces, structures décentralisées. Aujourd'hui, le ministère du Transport, c'est une structure décentralisée. Mais aujourd'hui, les fonctionnaires du ministère du Transport, quel pouvoir ils exercent Ce sont des sociétés privées qui gèrent ces attributs. Michael Zodi, la constitution de la 7e République du Niger, à son article premier, stipule que l'État du Niger est une république indépendante et souveraine. Quels sont les éléments d'appréciation ou encore les caractéristiques de cette souveraineté. Vous savez, M. Mouktar, je vais vous dire une chose. Nos lois sont claires. Notre constitution est claire. Nous sommes vraiment souverains sur papier. Et c'est clair, nous avons les attributs de nom. Nous avons, mais même l'hymne national, nous avons beaucoup de critiques parce que c'est eux qui nous l'ont imposé. Nous pouvons faire notre propre hymne national. Nous avons beaucoup de critiques par rapport à tout ça. Sur le papier. Mais, tout, cela ne, fait, pas en un seul jour. Euh, c'est tout un processus. Mais ça fait, ça fait 60 ans. C'est vrai, 60 ans dans la vie d'une nation, ce n'est rien. Mais 60 ans, normalement, ça devrait changer. Et je vais vous dire une chose. Quand on parle de souveraineté, c'est multinational. Parlons clairement. C'est colon. ils continuent. C'est une forme du euh, euh, euh, néocolonialisme qui est là. Aujourd'hui, c'est eux qui changent les présidents, je vous dis. Je les accuse. C'est eux qui changent les présidents. Je vais vous dire une Mais les pays organisent des élections. depuis que nous avons eu, nous avons eu affaire. de les citoyens depuis notre indépendance, nous avons eu affaire à quatre, à quatre coups d'État. Et vous vous rappelez l'histoire qu'on nous a racontée. Depuis Djori, on nous dit quand le Niger commence à avoir une souveraineté sur les ressources minières, les gens créent les conditions pour que ce président quitte. Je me rappelle du discours de Tanja, quand il disait que en ah, Hausa, muna ruwa, muna rijiya, ruwa yana ciki amma ba mu guga wanda zai hidda Amma wanda suke iya hidda shi su su hidda guga, amma ba dauka za su yi c'était un déclic nous en tant que jeunes nous étions contents parce que ça veut dire que nous avons commencé à comprendre que il faut qu'on ait de l'emprise sur nos ressources il faut qu'on songe à développer notre pays selon vous le Niger n'est pas pauvre le Niger n'est pas le Niger est extrêmement riche. Mais le Niger est mal gouverné et le Niger est exploité, surexploité par le colon. Et je vais vous dire une chose, M. Mouktar. Comment vous pouvez comprendre que notre uranium, nous avons, besoin de ressources Et on dit que notre uranium, c'est une réserve pour les générations futures de la France. Génération générations futures du Niger non, pas du Niger. J'ai dit que c'est une réserve. Mais nous, qu'est-ce que. Je vous nous avons fait une étude. Des ampoules sur toi de la France est alimenté par l'uranium du Niger. Les Français ont pris Imour ils ont dit qu'ils ne vont pas exploiter ça maintenant parce que c'est réservé pour leur génération Quelle souveraineté on a euh, Maman peut-on faire le lien entre la démocratie et la souveraineté Merci Studio Kalangu, merci de nous avoir invités. Vous me demandez s'il y a un lien entre... Euh, la démocratie et la souveraineté. Vous savez, la souveraineté, c'est un principe du droit politique. Maintenant, il y a la réalité. Est-ce que en proclamant votre souveraineté, vous êtes en mesure de l'assumer. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir le coup, n'est-ce pas, pour que cette souveraineté soit une réalité Et je pense qu'il y a très peu de pays qui sont capables d'assumer pleinement leur souveraineté dans ce monde. C'est une question de réalisme politique et c'est une question de rapport de force dans le monde. Aujourd'hui, les relations internationales sont telles que euh, les pays qui manquent euh, de souveraineté, dans la réalité, sont les pays qui reçoivent de l'aide. Quand vous recevez de l'aide, il n'y a rien à faire. Parce que l'aide est toujours liée. Il n'y a pas une aide désintéressée. Hein. L'aide est assujettie à un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui font que euh, cette souveraineté, vous ne pouvez pas la garder comme vous voulez. Et deuxièmement, si vous êtes tenu, n'est-ce pas, d'avoir euh, euh, des orientations qui cadrent avec d'autres orientations ou des orientations voulues de l'extérieur, vous ne pouvez pas garder cette souveraineté. Donc l'un de l'autre, n'est-ce pas, la souveraineté, c'est un principe, et comment le maintenir, comment le garder, c'est euh, toute la problématique à ce niveau-là. Mais Maman Wada, le Niger peut s'en passer de l'aide extérieure À, à l'état actuel des choses, non. Je suis réaliste. Le Niger ne peut pas se passer des autres et de l'aide des autres. Peut-être qu'il faut définir l'aide, la nature de l'aide, comment il faut recevoir l'aide, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une aide désintéressée. Toute aide est liée. Elle, est, assujettie à autre chose. Maman Wada, vous qui enseignez les élèves depuis pratiquement près de 40 ans et qui avez observé pratiquement tous les gouvernements qui ont eu à gérer euh, les sept euh, républiques, euh, dites-nous à quel moment vous avez remarqué qu'il y a cette affirmation de l'indépendance et que la souveraineté du Niger est bien réelle. La souveraineté du Niger, elle est relative, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs. Elle est relative parce que il y a des moments où on l'affirme et il y a des moments où on lâche parce que on ne peut rien face comme euh, euh, celui qui est en face mon, mon, mon, ami dit que par rapport à des questions économiques vous pouvez ne pas avoir les capitaux pour exploiter vos ressources vous pouvez ne pas avoir la technologie nécessaire pour exploiter vos ressources vous pouvez ne pas avoir même les hommes hein, pour exploiter les ressources et si on vous les présente de l'extérieur, c'est assujetti à une perte de souveraineté. Tous les domaines de la vie, si vous ne pouvez pas les assumer, il n'y a rien à faire. Si vous ne pouvez pas les assumer objectivement, eh bien, vous allez céder quelque part euh, un aspect de votre souveraineté. Ça, c'est universel. C'est un rapport de force dans le monde eh bien, c'est à vous de créer les conditions pour euh, tenir ce rapport de force. Les conditions, elles sont objectives, elles ne sont pas proclamées. Si vous arrivez à vous autosuffire, si vous arrivez à avoir des ressources humaines de qualité, si vous, vous arrivez à avoir des capitaux, vous arrivez à avoir et, à disposer de vos propres ressources, en ce moment, vous pouvez proclamer votre souveraineté. Je pense que la souveraineté, elle, euh, c'est vrai, c'est un principe, elle s'affirme, mais elle se maintient il faut créer les conditions pour que cette souveraineté soit, soit maintenue. Vous avez pratiquement observé tous les gouvernements qui ont eu à gérer les sept républiques. À quel moment avez-vous remarqué qu'il y a eu cette affirmation de la souveraineté C'est vrai, la première république, on était, on était J'étais en troisième hein, quand il y a eu le coup d'État de Koudjé. J'étais en classe de troisième. On ne comprenait pas grand-chose à l'époque. Mais on savait quand même, puisqu'on a enseigné, on a lu, on a été enseigné. Après, il y a eu le régime d'exception, il une longue période de régime d'exception. Mais, mais ce régime d'exception, c'est vrai, lui-même, de temps en temps, il affirmait fermé euh, la souveraineté, mais il était lié. Il était lié parce que ce, régime est intervenu suite à la chute de notre régime. C'est des questions nationales, hein, beaucoup de questions nationales qui ont fait que ce régime est tombé. Cela veut dire que ce régime lui-même, n'est-ce pas, qui a fait tomber la Première République, a reçu des injonctions de l'extérieur, il a reçu des, des, des, consignes de l'extérieur, où il a été appuyé, hein, et, il a été maintenu lui-même, n'est-ce pas, par euh, ses, ses, relations internationales. Ensuite, n'est-ce pas, il y a eu la conférence. La conférence a voulu affirmer la souveraineté absolue de l'État du Niger. Mais c'était des grands principes qui ont été affirmés à la conférence. C'était noble, il y a eu des résolutions, des recommandations. Absolument, il y a eu des actes qui étaient très révolutionnaires à la conférence nationale. Mais face à la réalité, évidemment, de temps en temps, on a ruiné ces actes. Hein? Face à la réalité, on a ruiné eh, eh, eh, cette, euh, cette, souveraineté qui a été affirmée à, à la conférence nationale souveraine. N'est-ce pas Donc, c'est pour dire qu'il y a les principes et il y a la réalité. On a dit Banque mondiale, FMI, rappelez-vous que la crise qui a poussé les étudiants à sortir pour qu'il y ait eh, cette tuerie sur le pont. C'était le projet éducation 2, c'était un projet eh, eh, d'éducation de la Banque mondiale qui déjà avait connu le double flux, la double vacation, etc. Hein. Donc l'école subissait la ruine à travers justement des programmes d'ajustement structurel et ça a poussé les étudiants à aller sur le pont à, manifester leur mécontentement qui du reste est légitime, n'est-ce pas et, ensuite, ensuite, ce qui devrait arriver à arriver. Hein. C'est pour dire que déjà, déjà avait des injections de l'extérieur. Hein, et parce que le Niger était très limité dans ses ressources, très limité dans ses capacités, n'est-ce pas Et il ne pouvait pas faire face à, ses propres besoins. Parce que si on ne peut pas satisfaire ses propres besoins avec ses propres moyens, évidemment, on va perdre sa, la souveraineté. Donc la conférence nationale était très révolutionnaire. Je pense que c'est le seul moment d'ailleurs où on a affirmé nettement la souveraineté. Et après, progressivement, face à la réalité, n'est-ce pas, et la souveraineté euh, a été grignotée. De temps en temps, de temps en temps, il y a des, manifestations de souveraineté avec le régime d'exception. Il y en a eu avec la Première République. Il y a eu des manifestations de souveraineté quand le Niger avait refusé de soutenir euh, la sécession du Biafra. Hein, face à une injonction extérieure, c'était une manifestation de souveraineté. Hein. Souverainement, le régime Jory avait décidé de soutenir, n'est-ce pas, le, gouvernement euh, fédéral du Nigeria. C'était un acte de souveraineté. Il y a toujours des moments où on manifeste la souveraineté, mais face à la réalité, eh bien, ça ne peut pas tenir longtemps, comprenez Kouché l'a fait, et après, et Tanja a, tenté aussi de, manifester la souveraineté, eh bien, eh, ça a été, ça a été un problème n'est-ce pas Et même à ce régime, à des moments, il y a des moments où il manifeste la, souveraineté, mais face à la réalité, il n'y a rien à faire. la souveraineté se, trouve ruinée par les relations internationales. Maman pour vous, que faut-il en plus ou en moins aujourd'hui pour la formation de certains pays d'Afrique en proie à la faim, à la soif, au conflit, par exemple Oui, les conflits, les conflits ont une, une cause, une origine souvent c'est des problèmes de gestion de ressources, c'est le problème de redistribution des ressources et c'est lié à la gouvernance. Un, deux, la famine. La famine, elle a des causes naturelles, n'est-ce pas Mais elle peut aussi avoir des causes structurelles. Hein? Et, ainsi de suite. Les maladies, c'est la même chose. Donc, si s'il y a la bonne gouvernance, le minimum de ressources, on peut euh, se les partager, n'est-ce pas Évidemment, chacun sera obligé de travailler. Un pays qui ne travaille pas ne peut pas avoir une souveraineté si, si les gens attendent, n'est-ce pas, que toujours l'État leur donne ou que toujours l'extérieur leur donne, évidemment, l'État lui-même va perdre sa souveraineté et les individus seront des, je dirais, des sujets. Donc, à partir de ce moment, il faut nécessairement travailler, il faut disposer, produire, n'est-ce pas Produire et consommer ce qu'on a produit, consommer la production nationale. ça, c'est très important. Et si vous arrivez à vous autosuffire par votre effort personnel, par votre effort intellectuel, et si vous arrivez à vous autosuffire, vous pouvez de temps en temps dire non si vous pouvez le faire. Mais si vous ne pouvez pas assurer votre sécurité alimentaire, vous ne pouvez pas garantir votre école, vous ne pouvez pas garantir votre santé, vous ne pouvez pas garantir votre propre sécurité et rien à faire, vous serez obligé de la brader. J'informe nos auditeurs que nous avons également invité Lawal Salaw Sayabou, coordonnateur du réseau des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, qui n'a pas pu répondre à notre invitation. dit, l'insécurité dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel pousse les États à faire appel à l'aide extérieure. Comment convaincre que cela est fait en toute euh, souveraineté ou en toute indépendance. Euh, merci Mokhtar, mais permettez-moi d'abord euh, de rebondir un peu sur la souveraineté et la démocratie. Vous savez, je vous ai dit que la souveraineté appartient au peuple et le peuple l'exprime à travers ses élus. Donc, euh, si on ne crée pas les conditions d'une véritable démocratie pour permettre au peuple de choisir ses dirigeants, ça ne peut pas aller. Un dirigeant qui n'a pas été élu par le peuple ne va pas travailler pour le peuple et il sera gangréné par la corruption. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, la souveraineté dont le grand frère avait, fait cap par rapport, par exemple, à la Biafra et autres, moi je vous assure, ça dépend de la volonté politique du dirigeant. On dit volonté politique, mais la volonté politique n'est rien d'autre que la volonté politique du dirigeant. Le peuple a eu confiance en toi, il t'a donné le plein pouvoir pour gérer ses ressources et tu dois être, comme disait euh, Adli, faire une juste rédiction des biens. Mais tant que le peuple n'aura pas l'occasion de te sanctionner par rapport à tes forfaitures, ça ne peut pas aller. Et vous, vous avez vu, moi, un cas de souveraineté, c'est vrai. Moi, Paul Kagame, c'est un dictateur. Je suis contre lui. Mais il a véritablement exprimé la souveraineté du Rwanda en quittant même la langue française pour devenir anglophone. Pour euh, adhérer au Commonwealth. Au Commonwealth. Maintenant, on ne parle pas le français. Même, Paul Kagame, qui a étudié dans une école française, aujourd'hui, quand il vient ici au Niger, il faut un interprète entre lui et le président Issoufou. Et vous avez vu, c'est un exemple au niveau de l'Union africaine, comment le, Rwanda est en train de se développer. Comment le Rwanda est en train de se développer, c'est grâce à la volonté politique de ce dirigeant-là. Maintenant, par rapport à l'insécurité, euh, Mouktar, L'insécurité déjà a été sous-traitée. Nous, d'ailleurs, même, nous nous posons des questions. A été sous-traitée comment Mais, aujourd'hui. nos forces de défense et de sécurité sont quand même sur le front. S'il vous plaît, le G5 Sahel, allez-y demander les fonds donnés par les partenaires qui gèrent ces fonds-là ils ont fait des propositions, fait des promesses, Il y a eu des promesses et il y a eu même des fonds. Mais aujourd'hui, la France qui est, au devant de, notre G5 Sahel, notre fameux G5 Sahel, la France a édicté des règles de gestion. Si à leur niveau, ils vont gérer même les sous, ça ne vient pas à notre armée. Ça a posé des problèmes. C'est juste des fonds de fonctionnement qu'on donne aux, militaires. En dehors de ça, c'est la France qui achète les matériels. c'est la France qui fait ceci. Mais et surtout, je veux vous dire une chose L'aide extérieure, nous en avons besoin. Nous avons besoin de fonds pour doter notre armée de moyens efficaces. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire qu'un Occidental peut venir ici au Niger faire la guerre alors qu'il ne maîtrise pas les réalités socio-politiques de notre pays. Les réalités, ça veut dire que qui part à Difa, qui ne parle pas leur langue. Même du point de vue des renseignements, je ne pense pas s'ils sont efficaces. Mais ils prennent l'argent. Tout cet argent-là est parti dans leur gestion. Donc, il faut tendre la main, mais avec dignité. Il ne faudrait pas accepter que aujourd'hui on vous dit quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas vous, vous maîtrisez mieux parce que c'est votre territoire. Mais, aujourd'hui, est-ce que la bonne gouvernance démocratique peut être euh, une réponse à toutes ces préoccupations Mais, mais c'est clair Aujourd'hui, l'exploitation de l'uranium seulement suffit. Je vous assure, s'il y a ce qu'on appelle gagnant-gagnant, le Niger allait se développer. Mais le Niger est déjà en voie de développement sur la voie. Non, moi je ne pense pas si le Niger est en voie de développement, si vous voyez, les... c'est-à-dire, toujours nous sommes derniers dans liste de développement. Mais quel envoi le, nouveau rapport n'est pas encore. Euh, J'ai dit, toujours jusqu'à là, on attend. On attend le nouveau rapport. Mais dans tous les rapports, je prends seulement le dernier rapport, nous sommes derniers. Mais comment est-ce que vous allez expliquer que nous sommes en voie de développement C'est-à-dire, la bonne gouvernance n'y est pas. La corruption y est le détournement des deniers publics y est. Et je veux vous dire une chose. Les gens qui sont là en train de diriger, c'est juste pour remplir leur poche, je vous assure. Même cette affaire de permis de conduire, c'est clair, c'est pour, pour, pour, euh, encore engager le, peuple. et aujourd'hui, il faut moderniser, il faut moderniser euh, permis. je suis d'accord, il faut moderniser. Vous, vous pensez que pour moderniser, pour faire un petit carton, il faut payer 12 000 Quelque chose qui ne fait pas 500 S'il vous plaît. Et le reste, c'est pour qui les 10, 500 là, c'est pour qui La société doit engranger des, bénéfices. C'est ça les bénéfices Vendre notre souveraineté Donner à une société de nous faire des permis biométriques L'État aussi gagne. L'État gagne à travers les taxes. Les 12 000, c'est juste pour l'entreprise. L'État gagne à travers les taxes et aussi les timbres. que les... C'est pas fini. Laisse-moi. Laisse-moi dire quelque chose. Vous savez, je viens par rapport à la tribu. Par exemple, l'hymne national. Je vous ai dit que l'hymne national, ce n'était pas pour nous. Soyons fiers et reconnaissants de notre nouvelle liberté. Ça, ça, c'est ton point de vue. L'hymne national devrait être une façon de cultiver le patriotisme, le nationalisme positif. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez vu en France, quand ils chantent la Marseillaise, mais les gens pleuraient. Mais nous, ça ne nous dit rien parce que ça ne revient pas au fond de notre cœur. C'est juste une sorte de chanson qu'on est en train de faire. Et derrière certains ministres n'arrivent même pas à faire ça. Donc, il nous faut notre propre hymne pour cultiver le patriotisme. Si nous sommes patriotes, si les dirigeants sont patriotes, je vous assure, nous avons besoin juste de l'extérieur pour des stratégies géopolitiques. En dehors de ça, notre développement, nous, nous allons aider d'autres pays. Nous allons aider la France. Comment devenir patriote C'est votre, c'est votre travail, c'est votre boulot. Oui, c'est notre boulot. Les gens ont enlevé. Euh, euh, mon grand frère, il est enseignant. Nous, quand on a commencé, il y a l'instruction civique. Et morale. Et morale. On nous enseignait ça. Nous avons appris quelques béabas à travers ça. Mais ça n'avait pas continué. Les gens ont abandonné. Aujourd'hui, vous posez la question, la signification même du simple drapeau. D'ailleurs, même à des étudiants, ils auront du mal à l'expliquer. Ils auront du mal à parler de Ils auront du mal à savoir que la République a des attributs, comme la Constitution. Comme, vous savez, à un moment, je me rappelle, quand euh, moi j'ai dirigé ce qu'on appelait le mouvement des jeunes républicains, nous avons dit qu'au Niger, il y a trois fêtes nationales où tous les Nigériens doivent se retrouver. C'est-à-dire, euh, quand les chrétiens fêtent, ça c'est leur fête. Quand les musulmans fêtent, c'est leur fête. Mais pour les Nigériens, j'ai dit bien les Nigériens, que tu sois musulman, chrétien, animiste, il y a trois fêtes nationales. Euh, la fête de l'indépendance 1960, euh, le 3 août, c'est qu'on est en train de... Le 18 décembre et aussi le 24 avril, fête de la Concorde. C'est ça les, trois fêtes nationales où les Nigériens doivent se retrouver. C'est tenir la main dans la main. Repenser la République. C'est vrai, il faut planter des arbres. Vous le faire. Oui, on, l'avait fait. On l'avait fait. Nous, nous avons même décrété le 18 décembre étant comme journée de la jeunesse républicaine. Nous avons sillonné les capitales avec des fanions, c'est-à-dire le drapeau du Niger. Pour dire ça, c'est le drapeau du Niger, il faudrait le respecter. nous avons distribué aussi, euh, aussi des prospectus. C'est l'hymne national. Ça, c'est notre hymne national. Il faut être fier et le garder et savoir le chanter l'entraînement. Donc, c'est ce travail de base qu'il faudrait faire, c'est cette sensibilisation qu'il faudrait s'engager pour que les Nigériens soient véritablement des vrais Nigériens, des vrais citoyens capables de défendre leur pays, qui sont prêts. Vous savez, quand le MNJ avait attaqué euh, le Niger, nous, nous avons rendu public une déclaration où nous avons demandé que nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras au moment où la République est attaquée. La jeunesse en notre sein était prête à partir au front et défendre l'intégrité du territoire physiquement. Michael Zodi, la création de la monnaie unique de la CDAO peut-elle être une réponse ou un déclic vers l'atteinte bah, de la souveraineté des États <laughs> mais <laughs> Mouktar. Je intervenir. Oh, oh, oh, allez-y, Maman Wada, allez-y. J'ai l'impression d'une lecture externe de, la réalité nationale. Une lecture externe. Il faut faire une lecture interne. C'est-à-dire, euh, quand vous prenez la coopération militaire, elle n'est pas, pas de maintenant. Tous ces officiers la font les académies extérieures et avec des bourses extérieures. Et, et, et même ici, ils sont accompagnés par des conseils militaires. Toute la formation, pendant tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire une lecture interne. De, de, tout temps, de tout temps, il y avait cette coopération militaire. Peut-être qu'il n'a pas la même envergure que maintenant, mais elle a toujours existé. Il faut connaître ce problème-là, parce que nous parlons des solutions, comment sortir n'est-ce pas, de cette situation-là. Hein, il faut connaître tous les problèmes. Donc, de l'intérieur, la coopération militaire a toujours existé et, et que les gens ont toujours travaillé dans les académies. Ils ont été formés dans ces académies. Ils ont été suivis même, n'est-ce pas, sur le terrain. Je prends un exemple. Le Niger, euh, en 1990, il a envoyé des troupes au Koweït. Hein, pendant la guerre du Koweït, quand euh, l'Irak avait envoyé le, le, le, Koweït. Donc, à, mon avis, cette question doit être appréciée à sa juste valeur. Peut-être qu'il y a une ligne à ne pas dépasser. Vous comprenez Il y a une ligne à dépasser forcément, n'est-ce pas, pour ne pas ruiner la souveraineté. Mais il faut aussi apprécier. Quand est-ce que nous allons créer les conditions pour qu'il n'y ait plus de coopération militaire Parce qu'il ne suffit pas de décréter, il faut remplacer. C'est ça la question de foi. La deuxième question, comment sortir de la dépendance Il faut travailler. Hein. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas, c'est, pas sorcier comme on dit et il n'y a pas de mystère il y a une seule solution, c'est le travail. Le travail Tous les Nigériens doivent travailler. Et à travers des études euh, poussées Tout Le travail dans tous les sens. Un, le travail manuel. Deux, le travail intellectuel. La formation de haut niveau, l'encadrement, rechercher les ressources, rechercher les capitaux, etc., etc. Il faut travailler. Quand on ne travaille pas, on se laisse dominer. Il n'y a rien à faire, on va marcher sur vous. La, la troisième, je, suis un peu intéressé par ce qu'il a dit. Mhm. Moi, je ne crois pas au développement à travers l'uranium. Je, vous assure, je fais partie de ceux qui ne font pas de fixation sur l'uranium. En, un rien de temps, ce que le pétrole rapporte au Niger, ça dépasse de l'uranium. Sur la petite question, un on parlait de 2011, l'uranium avait rapporté 68 milliards. L'uranium, je dis bien 68 milliards, plus, plus l'or. Hein? Dans, un budget qui dépasse les 1000 milliards. Oui, faut fermer. La mine, ça ne sert à rien. Le soleil, ça peut, résoudre facilement nos problèmes. On a un bagaille. Comme l'a dit Maman, on a le soleil 13 mois sur 12. Donc cette question, moi, je ne crois pas au développement du Niger par l'uranium. Je le répète encore. Je ne crois pas à ça. Donc, c'est vraiment, vraiment une focalisation, c'est de la fixation. À la limite, ça nous fait perdre du temps. Maman je, euh, voulais dire un mot par rapport. rapidement, Oui, rapidement. D'abord, quand j'ai parlé de, l'Iranium, de ce n'est pas parce que je crois que l'Iranium pouvait faire développer le Niger. Mais comme les gens sont en train d'exploiter, il faudrait qu'il y ait gagnant-gagnant. C'est juste parce que pour que le Niger ne soit pas engrangé par ces puissances. Aujourd'hui, on nous impose. Mais c'est l'Iranium qui fait en sorte qu'on change de régime. C'est l'Iranium qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens euh, euh, créent les conditions des coups d'État. En dehors de ça, par rapport aux bases militaires, à l'époque, Kunti avait chassé. Euh, avait eh, chassé eh, la base militaire française. Et ah, aujourd'hui, ah, nous savons que très Michael bien, parlons à présent de la monnaie unique de la CDAO. je voulais parler de la coopération militaire. Là, je ne suis pas contre la coopération militaire, c'est-à-dire la formation et aussi l'information. Mais je suis contre cette façon actuelle de faire cette coopération militaire, le fait que les gens quittent armes et bagages, venir s'installer chez nous, et sans pour autant qu'il y ait notre accord. L'accord n'a pas été publié, l'accord n'a pas été discuté à l'Assemblée nationale, mais nous avons constaté seulement une floraison de base un peu partout au Niger. C'est ça. ça c'est vous qui n'êtes pas informé. Je, suis un citoyen. Euh, euh, euh, il est du devoir des autorités de nous informer, mais on était parti à l'Assemblée nationale pour vérifier est-ce qu'il y a eu cet accord Alors que quand il y a des accords militaires, la Constitution stipule qu'il faudrait que ça soit débattu en amont au niveau de l'Assemblée nationale. C'est juste pour dire que le flou artistique qui entoure cette coopération nous inquiète. C'est ça notre, notre, question. Maintenant, pose question. que peut être l'apport de la gouvernance dans l'indépendance, la souveraineté d'un pays Nous prenons par exemple la gouvernance politique. Hein, la gouvernance politique suppose justement la participation euh, de tous, que les gens soient bien gouvernés, qu'ils soient bien orientés, qu'ils soient bien encadrés. Et, et, nous avons choisi la démocratie comme la forme de gouvernance, n'est-ce pas, qui est la plus, la plus adaptée et qui est à même de faire participer tout le monde, à même de faire opiner tout le monde, à même n'est-ce pas, d'amener euh, chacun et tous, n'est-ce pas, à produire des idées et à adhérer à l'orientation euh, globale, n'est-ce pas, que nous pouvons donner à notre République. Ça, si tout le monde, si tout le monde arrive à jouer le jeu correctement, comme c'était euh, dit dans le pacte social, dans le contrat social, si tout le monde arrive à suivre, n'est-ce pas, les orientations que chacun et tous se sont données, et je pense qu'il peut y avoir une compréhension de la gestion de la cité. La gouvernance économique. La gouvernance économique suppose bien entendu un certain nombre de principes. Hein. la, transparence, hein, la, lutte contre la corruption, la comptabilité, n'est-ce pas Et bien la juste répartition des richesses. Si euh, les richesses sont réparties euh, euh, de manière juste ou équitable, si vous voulez, n'est-ce pas Et qu'un certain nombre de valeurs soit euh, respectés comme l'intégrité, l'honnêteté, le mérite, l'excellence, le travail bien fait, la justice, je pense que euh, de ce point de vue, et, on, peut, assurer justement l'indépendance. Encore que l'indépendance et la souveraineté sont toujours relativisées. Euh, la gouvernance sociale, hein, si on peut choisir les gens selon leur mérite, s'il n'y a pas de culte de la médiocrité, n'est-ce pas Si on peut euh, mettre chacun à sa place, n'est-ce pas L'homme qu'il faut, comme on dit, à la place qu'il faut, si les valeurs ne sont pas inversées, hein, les valeurs morales, les valeurs sociales, hein, euh, ne sont pas inversées. Si, comme euh, on peut le constater, n'est-ce pas Celui qui, qui, dit la vérité va souffrir, n'est-ce pas, de sa vérité, et celui qui fait le, travail de qualité va souffrir de ce travail de qualité. Peut-être que c'est l'inverse qui, qui vaut la peine. Donc, à partir de ce moment, s'il y a une bonne gouvernance sociale, je pense que et on peut eh, assurer l'indépendance encore que l'indépendance aussi, il faut la relativiser. Mais le dit, la création de la monnaie unique de la CDAO peut-elle être une réponse ou un déclic vers l'atteinte de la souveraineté des États euh, je ne crois pas, ce n'est pas une question de monnaie. Quand euh, même si c'est le dollar qu'on choisit. Vous êtes toujours pessimiste. Non, même si c'est le dollar qu'on choisit, même si c'est l'euro qu'on choisit, moi je pense bien qu'il faut créer les conditions pour booster l'économie. Il faut produire assez et je vous, je vous assure, si on produit et on gère bien nos ressources, quelle que soit la monnaie qu'on adopte, ça va aller. tout ce bruit-là que vous entendez autour du franc CFA, c'est juste que les Africains ou bien euh, de la zone euh, CFA en ont assez d'être dirigés par la France. C'est une façon de protester contre le néocolonialisme. Ce n'est rien d'autre. Mais en valeur ajoutée, je pense bien que il faudrait booster l'économie. Créons les conditions de produire assez, créons les conditions d'une bonne gouvernance, c'est-à-dire eh, plutôt promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, lutter contre le détournement des deniers publics. Faites une juste répartition des richesses, vous allez voir que le Niger ou bien l'Afrique en tout entière allait se développer. Les dirigeants actuels, tous les dirigeants africains, ils ont dit que l'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique est mal gouvernée. Mais qui gouverne l'Afrique C'est toujours eux. Donc il faudrait cesser le double langage il faudrait aisément travailler pour le pays. Si aujourd'hui le président nigérien décide de créer les conditions pour travailler, donc il faudrait qu'il y ait un discours nigérien. Nigérien où euh, le président est à côté de son peuple, où il crée les conditions pour que le peuple puisse lui exprimer ses besoins je, vous assure, le Niger allait se développer, allait décoller. Nous avons les ressources nécessaires pour faire développer ce pays-là. Michael Zodi, quel peut être l'apport de la société civile pour atteindre la souveraineté nationale Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à faire que, que, de se battre. Il n'y a rien à faire que de lutter. Nous sommes en train de sensibiliser les populations par rapport à leurs droits et devoirs. Nous sommes en train de créer les conditions pour que les populations puissent devenir des citoyens responsables. Et quand ils seront des citoyens responsables, je pense bien que d'abord le processus et électoral sera transparent. Car les citoyens sont édifiés, ils peuvent dire non, arrêtez, le processus est gondolé, il faut créer les conditions pour qu'on puisse désigner nos propres dirigeants. Ces dirigeants-là qui vont arriver au pouvoir, quand en retour, ils savent que les citoyens sont là et les regarder faire il y aura un moment où ils peuvent les sanctionner. Je vous assure, ils vont travailler pour ces pays-là. Et le patriotisme va se développer. Et je vous assure, nous n'avons rien à envier à la France. La France n'a aucune ressource si ce n'est pas l'exploitation de de nos mines. La France n'a aucune ressource. Et je vous assure, si nous, arrivons à créer ces citoyens patriotes, le Niger découlera. Et c'est ça qu'est-ce qui vous empêche de le faire Mais nous sommes en train de le faire. C'est notre quotidien. Actuellement, nous sommes euh, à Studio Colombo. Et aujourd'hui, nous sommes en train encore euh, d'éveiller les consciences, de, créer, de sensibiliser les gens pour qu'effectivement, ils deviennent des citoyens responsables. Et nous allons partir dans les villages, un peu partout, pour, partout dans les Fada. Quand on se déplace, nous, c'est notre quotidien de sensibilisation. Et nous voulons effectivement que ces citoyens-là comprennent que le Niger les appartient. Le Niger les appartient et ils doivent s'unir pour se battre pour que le Niger puisse se développer, pour que l'éducation soit une éducation de qualité, pour que la santé soit une santé de qualité, pour qu'ils puissent exercer librement leurs fonctions, créer les conditions d'une sécurité. Et je vous assure, si aujourd'hui les populations à DIFA, s'ils sont véritablement euh, impliqués, s'ils ne sont pas harcelés, ils sont véritablement impliqués dans cette euh, question d'insécurité, je vous assure, vous allez constater les renseignements vont venir. Mais aujourd'hui, vous savez, euh, dans nos campagnes, quand vous voyez un homme entrer, vous fuyez parce que vous voyez la répression. Mais il faudrait que, il faudrait que notre armée puisse être aux côtés des citoyens, arrive à échanger avec les citoyens et créer les conditions de confiance entre eux et les citoyens. Et je vous assure, cette problème, ce problème de sécurité-là serait, serait giglé sans pour autant qu'on puisse utiliser euh, les gros moyens, sans pour autant qu'on puisse faire appel à des, à des, forces extérieures. Il reste un peu. <laughs> Allez-y rapidement. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais intervenir sur la monnaie unique. Je pense que le problème de l'Afrique, c'est le problème d'industrialisation. De, L'Afrique ne transforme pas ses produits. Elle les vend toujours sous forme de matières premières. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Tant que les Africains ne transforment pas leurs produits, eh bien, ils vont les vendre à bon marché. Quelle que soit la nature de la monnaie, la monnaie intervient, c'est important hein, pour l'échange, pour l'équivalence. Mais je pense qu'il faut que nous ayons nous-mêmes des produits de forte valeur ajoutée. Il faut que nous les transformons. Et pour transformer, il faut s'industrialiser. Il faut avoir le savoir. Il faut maîtriser le savoir, maîtriser la technologie. Au besoin, faire le transfert de technologie. Il faut être dans le chemin mondial. Il faut produire, il faut travailler, il faut chercher loin. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, bon, les questions de, de sécurité. Moi, je pense que d'ici la population est impliquée, non. C'est une question, souvent c'est sociologique. Il y a des zones où la population réagit elle-même. Elle se défend. Il y a des zones où euh, euh, elle ne dit rien parce qu'elle a peur euh, de la, des représailles. Hein. C'est aussi légitime qu'on se protège. Donc je pense que c'est ce travail qu'il faut faire nécessairement si nous voulons changer les choses. Mais je continue à croire que nous ne pouvons pas nous développer par le discours. Nous ne pouvons pas nous développer par le verbe. Nous ne pouvons nous développer que par le travail. Le travail bien fait est pour tout le monde. Le Niger est depuis le 3 août 1960, date de l'indépendance, un pays possédant un territoire souverain encadré par des frontières internationalement reconnues. Aujourd'hui encore, 59 ans après l'indépendance du Niger, le Niger fait encore face à des, nombreux défis. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Michael Zodi, coordonnateur national de la campagne Tournons la page, et Mamman Wada, président de Transparency International au Niger. Nous avons également invité Lawal Salaou Sayabou, coordonnateur du réseau des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, qui n'a pas pu répondre à notre invitation. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.